Mardi 27 juin 2023, Kalangou résonne et vibre. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou, l'émission qui vous transporte aux quatre coins du Niger, votre fenêtre quotidienne sur la diversité et la beauté de notre cher pays. Moi, c'est Fanta Chamsou et aujourd'hui, je suis avec Ali Munkela Ousseini, alias Seno 50%. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien, fatal, alhamdulillah. Avant de démarrer cette émission, chers auditeurs, permettez-nous de saluer ceux qui œuvrent en coulisses pour pour rendre cette émission possible. Derrière les machines, nous avons Amina Hassan, notre génie hein, de la technique, et Adama Dawaki à l'édition. Alors, Fanta, quoi de neuf ce matin Ce matin, c'est nous. Il y aura le flash d'information de la culture linguistique, une page sport, la rubrique hebdo sur la santé. Nous ferons aussi un tour à Zender, la capitale de Damagaram, dans la rubrique éco des régions. Comme invité ce matin, nous recevons Gonda Damaria Bachir. Il est le directeur général de l'agence Harmonie Eventcom, agence organisatrice du Salon des grandes écoles et de l'orientation SAGEO. Chers auditeurs, restez avec nous car chaque émission est une aventure différente. chers auditeurs, nous ouvrons cette émission avec les dernières actualités présentées ce matin par Rafika Attaher. Bonjour Rafika. Bonjour Fanta, comment tu vas Je vais bien. Bonjour Rafika. Bonjour c'est nous. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin Alors, pour ce matin, il y a cinq personnes, dont un militaire et une femme qui sont admises aux urgences de l'hôpital national de Zender suite à un incident qui s'est produit au grand marché d'Olé de Zender. Le policier en poste aurait fait usage de son arme à feu lorsqu'un militaire voulait rentrer dans le marché avec sa moto. Une altercation s'en est suivie. Le policier aurait ouvert le feu touchant le militaire et quatre autres personnes avant que les gendarmes arrivent sur les lieux. La situation est aujourd'hui calme et les blessés sont en soins intensifs aux urgences de l'hôpital national de Zender, indique Actu Niger. Ensuite, euh, nous, allons parler du bilan du projet goutte à goutte du programme d'irrigation. En effet, l'agriculture représente 40% du PIB du Niger et emploie plus de 80% de sa population. Néanmoins, l'exploitation agricole est gravement touchée par la rareté des ressources en eau, une situation que le changement climatique ne fait qu'aggraver. Déployé sur trois ans, de 2018 à 2021, le programme d'irrigation du projet Goutte à Goutte est un leader mondial dans les solutions de micro-irrigation. À la fin du programme, au moins la moitié des agricultrices formées continuaient à utiliser l'irrigation goutte à goutte et l'impact du projet a été multiplié lorsque 90% des femmes ont indiqué investir dans leurs gains, dans les soins de santé de la famille, l'épargne et les besoins du ménage. Au-delà du renforcement des moyens de substance et de la stabilité financière, la technologie du goutte à goutte a eu un impact positif sur la sécurité et la qualité de vie des agricultrices. Neuf femmes sur 10 ont fait état d'un sentiment de sécurité personnelle accru. Aussi, dans ce flash info, le ministre des Finances, M. Ahmad Jedoud, a présenté hier le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2024-2026 devant les députés nationaux. C'était au cours d'une séance de débat d'orientation budgétaire en prélude de l'élaboration du projet de loi de finances 2024 sur la base du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2024-2026. Le document a été élaboré par le gouvernement conformément à la loi organique du 26 mars 2012 relative aux lois de finances, a rappelé le ministre des Finances. Il précise que cet exercice de présentation est une exigence légale qui trouve son fondement dans les dispositions pertinentes de l'article 57 de la loi organique relative aux lois des finances. Enfin, le Niger a révisé hier 26 juin 2023 l'accord de siège qui a qui le lie à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, Madagascar à L'objectif visé par la signature du présent accord avec l'ASECNA est de régler les questions relatives à l'établissement de la représentation de son centre régional de la navigation aérienne et de l'école africaine de la météorologie. Aussi, la signature de cet accord permettra d'assurer les services publics nécessaires à l'ASECNA dans l'accomplissement de ses missions, d'accorder le bénéfice des différents services publics hospitaliers, de définir le statut juridique de l'organisation, de protéger son siège et ses communications. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Merci infiniment, Rafika. Je l'annonçais plus haut, chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes accompagnés de Gondada Maria Bachir. Il est le directeur général de l'agence Harmonie Eventcom, l'agence organisatrice du Salon des grandes écoles et de l'orientation SAGEO. Bonjour, euh, monsieur Bachir. Bonjour, c'est Bonjour. Bonjour, monsieur Bachir. Bonjour, Fanta. Donc, euh, ce matin, avec vous, nous allons parler du Salon des grandes écoles qui est déjà à sa troisième édition, n'est-ce pas En effet, en effet. Mais avant, Fanta, nous allons euh, servir à nos auditeurs la première musique de notre playlist du jour, un retour dans les années de la Samaria avec ce titre Noma. On écoute. cette chanson est un hymne agriculture, la terre n'aimant pas. Cette chanson, quoi qu'ancienne, possède toujours un sens, surtout en cette saison pluvieuse, n'est-ce pas, Sino Oui, Fanta, cette chanson, en plus euh, de faire l'éloge du travail noble de la terre, incite les jeunes et les plus forts à s'approprier hein, ce travail, à laisser l'oisivité et les conflits qui n'avancent en rien le pays. Voilà. Voilà, chers auditeurs, après cette euh, belle chanson pleine de sens, nous revoilà au studio avec notre invité du jour. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il s'agit de M. Gwanda Damaria Bachir. Alors, euh, Bachir, euh, vous êtes le directeur général de l'agence de communication Harmonie Event et vous organisez le salon des grandes écoles et d'orientation. Parlez-nous un peu de ce salon qui est déjà à sa troisième édition. Merci beaucoup, Seno. Merci euh, au studio Kalangou pour cette opportunité qu'il offre au Salon des grandes écoles, mais aussi à l'Agence Harmonie de parler un peu de ce que nous faisons et aussi parler de cette initiative mhm. euh, pour laquelle nous sommes aujourd'hui à la troisième édition. D'abord, on ne peut pas parler de du Salon des grandes écoles sans parler de celui qui l'organise. Le Salon des grandes écoles est un événement organisé par mhm. l'Agence Harmonie, qui est une jeune agence de communication Jeune par son âge, mais jeune aussi par les personnes qui l'animent. Parce que c'est, c'est une agence créée autour de, de jeunes étudiants qui ont trouvé nécessité de, de se spécialiser dans l'événementiel, mais aussi de proposer des formations professionnalisantes à l'endroit des jeunes, particulièrement qui sont dans les universités publiques, qui n'ont pas forcément de profil professionnel. Le plus souvent, vous avez des étudiants qui ont des formations en sociologie, en histoire, qui ne sont pas des profils forcément professionnels. Nous venons en appui avec des formations en, informatique, mhm. des formations en infographie et des formations aussi pour apprendre à manipuler certaines applications utiles dans certains travaux ou dans certaines enquêtes que les structures euh, ou institutions publiques comme privées proposent. Et aussi, nous éditons un magazine que nous avons appelé Initiative d'Afrique qui est un magazine qui se propose de faire euh, une contre-communication, une contre-attaque à la communication qui est faite à l'endroit de l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, on parle des problèmes, on parle de la famine, on parle de beaucoup de choses. Alors qu'il y a des initiatives qui sont là, qui sont faites par des Africains et qui méritent d'être promues. Voilà un peu le sens de, ce que nous avons appelé Initiative d'Afrique, qui va bientôt commencer à circuler dans tous les bus que nous utilisons pour nos, trajets entre les différentes grandes villes du Niger. maintenant, pour parler d'un de nos événements que nous avons appelé le Salon des grandes écoles et de l'orientation, qui est aujourd'hui à sa troisième édition. Mhm. Ce Salon des grandes écoles, il est parti d'un tout petit constat que nous avons fait parce que j'ai rappelé que nous sommes des universitaires à la base. On a compris que, en fait, dans, en ce troisième millénaire, à cette, euh, en ce 21e siècle, nous sommes encore dans un pays où c'est difficile pour un bachelier de savoir après le bac, qu'est-ce que je veux faire. Souvent, c'est après le bac, le jour même de la rentrée, qu'on se demande quelle est la filière que je veux faire, ou on regarde la filière que le grand frère a fait, on suit comme si c'était un héritage. De l'autre côté aussi, vous avez des étudiants qui viennent, qui s'inscrivent en première année, il faut la troisième année pour comprendre Que la filière que j'ai choisie, ce n'était pas ma vocation. Alors que pour avoir des, des, des, des hommes forts dans toutes les institutions, il faut vraiment de la vocation. Quand vous voulez être philosophe, faites-le avec une véritable vocation. Quand vous voulez être journaliste, il faut que vous le faites avec la, véritable vocation. Et la vocation, on la trouve au moment de l'orientation. Donc nous, nous avons estimé que cette expérience, ce, ce, vécu qui est vraiment fâcheux que nous avons eu, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut proposer pour que vraiment ça soit notre contribution sur toute la chaîne de l'éducation. Nous avons pensé que c'est à ce niveau que nous, nous pouvons être utiles. parce mhm. que Parce qu'on parle de, de, problèmes de l'éducation, de problèmes de formation. En réalité, il y a aussi le problème d'orientation. C'est la base de toute euh, toute évolution d'un point de vue vraiment éducatif. Mhm. Et c'est dans ce sens que nous nous sommes dit, il faut que nous puissions créer un événement. Parce que nous ne sommes pas des professionnels de l'éducation, mhm. encore moins de l'orientation. Nous sommes une agence de communication et ce que nous pouvons faire, c'est de créer un cadre d'échange. Mhm. Et c'est en ce sens que nous avons créé ce que nous avons appelé le SAGIO, Salon des grandes écoles et de l'orientation, autour duquel nous voulons que ceux qui ont des questions, autour des, des, conditions d'accès, des, cursus et tout ce qui est lié à la formation viennent donner des informations à ceux qui ont des questions, c'est-à-dire les parents d'élèves, mhm. les élèves et les étudiants. Maintenant, il faut créer un cadre où ils vont se retrouver tous pour se dire toutes les bonnes choses autour de cet aspect-là. Mhm. Mais il faut aussi mobiliser eh, le, le, ministère, parce que c'est lui qui est l'organe régulateur, c'est lui qui est, si vous voulez, c'est lui qui chapeaute ces, secteurs-là de l'enseignement supérieur. Et voilà pourquoi nous avons sollicité le parrainage du ministre de l'enseignement supérieur mhm. et aussi l'accompagnement de certaines écoles publiques comme privées mhm. pour que nous puissions appeler l'ensemble des étudiants, l'ensemble des nouveaux bacheliers pour qu'ils puissent, et les parents d'élèves aussi, pour qu'ils puissent venir poser toutes les questions sur les conditions d'accès aux bourses, les conditions d'accès à certains établissements qui sont privés, mhm. les conditions d'accès à certaines bourses particulières que le Niger offre, et ainsi de suite. Voilà un peu le salon. En résumé, C'était très simple. C'est un cadre où ceux qui ont des questions mhm. en matière d'accès de, d'accès à certaines formations viennent les donner à ceux qui ont des réponses. Et voilà un, peu le sujet. comme vous le dites. Absolument. Merci infiniment, Monsieur Bachir, pour cette discussion. Chers auditeurs, avant de poursuivre, sinon on fait une pause musicale. Exactement, oui, oui il est temps de faire une petite pause hein, musicale et de savourer la deuxième euh, pépite de notre playlist du jour. Nous vous proposons euh, avec plaisir Hamsou Garba paix à son âme et son titre envoûtant, il s'agit bien de Lagireto. On écoute et on revient juste après. Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre La de la défunte Hamsou Garba, l'une des voix hein, les plus belles euh, et surtout mélodieuses qu'a connue le Niger, l'une des chanteuses hein, les plus euh, patriotiques de ces pays. Ah tu l'as dit, c'est Hamsou Garba, de son vivant, a touché à tous les sujets pratiquement. De la politique à la santé, des mots qui minent les sociétés, mhm. des chansons engagées aux plus divertissantes. Ces chansons, en tout cas, reflètent parfaitement le Niger dans toute sa splendeur et sa diversité. Paix à son âme. Voilà, chers auditeurs, après ce moment de détente musicale, nous sommes de retour au studio prêts à reprendre notre conversation captivante avec notre invité, M. Bashira. Alors, Monsieur Bachir, euh, la question suivante, c'est en participant à ces salons, est-ce que les élèves et les nouveaux bacheliers arrivent à opérer un choix crédible pour la continuité de leurs études En effet, euh, Fanta, merci pour cette question. Lorsque les, élèves, les, nouveaux bacheliers, les nouveaux bacheliers aussi participent mm. euh, à ce salon, ils ont l'occasion de rencontrer toutes les structures d'information en même temps, dans un même endroit. Mm-hmm. Et ils ont l'occasion de suivre, en tout cas, les, présentations de toutes les grandes écoles présentes, en tout cas à Niamey, mhm. et les universités publiques qui viendront, qui accepteront bien sûr de venir donner des informations. Il y a également le ministère, à travers la direction de l'orientation et du suivi des cursus des étudiants, qui animera une conférence, parce qu'il y a des conférences en marge du salon qui sont prévues, mhm. pour que cette structure, cette division puisse donner toutes les informations nécessaires pour que l'étudiant ou l'élève puisse, puisse faire le meilleur de choix parce que il y a les élèves qui ont le bac, mais il y a des étudiants aussi qui veulent accéder à un autre niveau. Mhm. Il y a des bourses de premier cycle, de deuxième cycle et de troisième cycle. Là aussi, il y a tout un exposé qui est prévu autour de ça. Maintenant, il y a aussi des écoles et des cabinets d'orientation privés qui viennent, et aussi il y a des écoles qui viennent à l'international. Vous avez des écoles qui viendront de Tunisie mhm. et de, du, du, du, Togo, de Lomé, pour venir également parler de ce qu'ils font. Et là, nous, nous pouvons estimer que à partir de la participation de ce, de de ce bachelier ou de cet étudiant au salon, il pourrait en effet avoir toutes les informations, mais dans tous les cas, le choix lui revient à lui mhm. et à ses parents. Mais quand même, les informations, nous pouvons, euh, de façon sans crédit de conscience, nous dire que vraiment, l'information de façon complète a été transmise. Mhm. Alors, euh, toujours avec vous, euh, M. Bachir, euh, quelle est la portée de cet événement Parce que nous sommes, vous êtes déjà à votre troisième édition. La portée de cet événement, c'est que nous, nous, sommes en train de vouloir insuffler une nouvelle dynamique à l'enseignement supérieur au Niger. Mm-hmm. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, au, au, Niger, surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays, mm-hmm. ont des difficultés à avoir accès à certaines informations. C'est souvent quand vous arrivez à Niamey que vous vous retrouvez à l'université. Et aujourd'hui, quand vous regardez certaines facultés, certains départements à l'université sont pratiquement bouchés mhm. parce qu'il y a énormément d'élèves. Mais quand vous regardez de l'autre côté, euh, la dynamique au niveau de, du marché de l'emploi, ce n'est pas forcément ce que l'emploi demande. C'est vrai que les, formations universitaires sont très importantes, elles sont très complémentaires, mais aujourd'hui, quand vous regardez à Studio Kalangu, quand vous regardez un peu partout, la demande n'est pas la même. Mhm. Donc nous, c'est vraiment cette dynamique que nous voulons insuffler parce que en dehors des écoles qui exposent, il y a aussi des entreprises. Parce qu'à partir de la deuxième édition, il nous a été fait des, remarques remarques nous ont été faites, mhm. partant à dire qu'il faudrait que nous puissions réfléchir à ce que lorsque le choix, le, le choix est fait par l'étudiant, il faut aussi que nous l'aidons à faire naître une vocation de carrière. Parce que les études ne sont pas faites seulement pour que l'étudiant puisse étudier. C'est qu'à la fin, que l'employabilité soit présente au niveau de l'élève. Mm. Et c'est pourquoi nous partons maintenant à la rencontre des entreprises publiques et privées comme Studio calango mm. Pour les inviter à venir prendre un stand et à venir parler de ce qu'ils font mm. aux élèves. Maintenant, des étudiants qui vont s'inscrire par exemple en art et culture, ils, savent exactement ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont des informations par rapport à ça. en journée. Que la date euh, de la prochaine édition est déjà prévue. Oui, c'est dans deux semaines. Mm-hmm. Ça va se passer au niveau du Radisson Blue mm-hmm. euh, à partir de 9h, de 9h à 18h le 8 et le 9 juillet. Je mm-hmm. répète, le 8 et le 9 juillet au, niveau de l'hôtel Radisson Blue. Alors, Pourquoi le choix de l'hôtel mhm. Parce que d'abord, c'est un cadre attractif. Ensuite, ça nous permet d'avoir un tout en un. Les, éditions passées, lorsque les, jeunes viennent pour euh, euh, visiter le salon, participer aux conférences, c'est difficile d'avoir accès à la restauration pour pouvoir continuer avec plus d'énergie. Donc là, le Radisson nous offre un tout en un. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bachir. Alors, c'est euh, nous on fait une, petite pause hein, et on revient juste après. Voilà, chers auditeurs, hein, à présent, un sujet crucial nous attend ce matin de la rubrique santé. Il s'agit de la fistule obstétricale, une maladie qui touche de nombreuses jeunes femmes au Niger. Cette réalité douloureuse nous rappelle l'importance des consultations prénatales et l'impact de l'ignorance, surtout euh, chez les adolescentes. Pour mieux comprendre cette maladie et trouver des solutions, nous vous proposons d'écouter un entretien qu'a accordé Madame Salamatou Traoré, présidente de l'ONG DIMOL, à notre collègue Habibou Ahmed. C'est quoi la fistule euh, génitale La fistule génitale est précisément pour nous la fistule obstétricale est une affection qui touche la femme pendant l'accouchement qui crée une communication entre la vessie et le vagin ou entre la vessie, le vagin et le rectum ou entre la vessie, le vagin et parfois l'utérus. C'est une incontinence des matières euh, fécales et des urines. Donc euh, cette incontinence se manifeste manifeste par la mauvaise odeur que dégage la femme du fait des mauvaises conditions d'hygiène, mais surtout du fait que souvent les patientes sont psychologiquement atteintes. Donc le moral est très bas et ce sont des femmes euh, des cas sociaux, des femmes rejetées et répudiées par la société, mais surtout par les maris. Quelles en sont les causes Les causes, c'est surtout l'ignorance, la pauvreté, le mariage précoce, rapproché, et aussi euh, un élément important c'est euh, l'inaccessibilité aux services de santé de proximité. Elle que qu'il faut aller faire la prévention pour éviter euh, d'avoir la fistule. Quelles sont les femmes qui sont sujettes à la maladie Les femmes de petite taille, donc j'avais dit tout à l'heure, les filles, les jeunes, le mariage d'enfants. Donc euh, la taille est importante puisque c'est la taille qui conditionne la morphologie du bassin également. Il y a des femmes qui peuvent avoir euh, la taille adéquate, c'est-à-dire une taille normale, plus de 1 mètre cinquante, et qui ont une malformation au niveau du bassin. Alors là, euh, la présentation ne peut pas descendre. Voilà d'une manière mécanique ce qu'il y a. Il y a également d'autres pathologies qui peuvent conduire à la ça c'est obstétrical. Il y a plusieurs autres dystocies euh, qui peuvent amener la femme à avoir la fistule s'il y a une rétention du fœtus qui descend d'une manière anormale, je veux dire. Donc ça aussi, il y en a qui conduisent à avoir certains cas de fistule. Comment se fait la prise en charge de cette maladie la prise en charge actuellement, elle est vraiment euh, médicale, c'est-à-dire chirurgicale. Et c'est surtout la prise en charge psychologique qui est importante pour nous en tant que ONG dans le cadre de la prévention. Nous faisons beaucoup de sensibilisation pour les informer qu'elles peuvent guérir rien qu'à travers une orientation, une prise en charge rapide de la fissure. Et quand elles viennent, c'est surtout euh, l'hygiène, l'hygiène corporelle, l'hygiène euh, de l'affection qu'elles présentent. Nous avons euh, les prises en charge que nous recherchons pour les opérations parce qu'il n'y a pas que seulement des pathologies telles que la fissure qu'elles ont. Elles peuvent présenter d'autres pathologies au niveau de l'organe génital dont on envoie chez les obstétriciens pour leur amener un plus. Mais surtout, ce qui les intéresse, c'est la prise en charge de la fistule. Or, la prise en charge de la fistule, nous avons un centre qui est à plus de 5 km où nous les référons chaque vendredi d'abord pour les consultations puisque chez nous, on fait juste les soins appropriés, nous identifions la fistule, si c'est vraiment une fistule ou si c'est un prolapsus ou si c'est une simple incontinence. Souvent, à notre niveau, nous pouvons savoir avant de les référer au niveau de l'urologue du centre de référence Arrivé là-bas, il y a le bilan qui se fait, bilan chirurgical et l'opération chirurgicale. Et après, elles reviennent chez nous. Et quand elles reviennent, euh, c'est pour la préparation encore au niveau euh, social, c'est-à-dire en ce qui concerne leur réintégration sociale accompagnée ou non au niveau communautaire. Et c'est comme ça qu'elles euh, bénéficient des fonds, souvent les fonds de l'UNFPA le fonds qui vient du ministère de la Santé, c'est-à-dire le réseau pour l'éradication de la fistule. C'est le seul centre que vous disposez ou bien vous en avez d'autres dans toutes les régions Nous avons des antennes au niveau de toutes les régions et même au niveau du Burkina, nous avons une représentation dans la région du Liptako-Gourma à Dori. Toutes les régions du Niger, Dimon les couvre. Nous avons des antennes régionales dans toutes les régions qui mènent les mêmes activités que nous, mais qui n'ont pas les mêmes capacités d'avoir euh, un centre, mais qui collaborent avec les saintes mères-enfants. Voilà, c'était la Madame Salamatou Traoré au micro de Habiba Ahmed. Chers auditeurs, euh, après cet entretien, je vous propose de souffler encore une fois en musique avant de continuer notre émission. Voici donc avec plaisir Nous de Maliaro, une chanson qui éveillera en nous une prise de conscience sur la corruption. sir. et oui, ce titre Noukandi de l'artiste Maliaro est une musique qui aborde un sujet aussi important que délicat. La corruption sous un style reggae, comme pour interpeller euh, cette chanson interprétée par euh, le talentueux Maliaro, nous invite à réfléchir sur cette réalité qui impacte nos sociétés. À travers une mélodie envoûtante et des paroles percutantes, Maliaro nous transporte dans un voyage musical engagé qui rappelle l'importance de la transparence, de l'éthique et de l'intégrité. Voilà, chers auditeurs, nous allons maintenant plonger dans notre rubrique incontournable, l'écho des régions. Aujourd'hui, nous portons notre attention sur une problématique qui touche la ville de Zander, le problème de drainage d'eau, bien sûr. Les habitants de certains quartiers situés surtout au nord-est de cette ville rencontrent d'énormes difficultés pour regagner leur foyer après chaque événement pluvieux, pendant l'hivernage bien sûr. C'est là depuis plusieurs années. Et oui, malgré les initiatives individuelles et collectives euh, des habitants des quartiers, le problème reste entier et les habitants hein, craignent pour euh, leur sécurité. Ils expriment leurs inquiétudes dans ce reportage de notre correspondant de Zander, Mustapha Mamansani. Pendant que l'hivernage suscite beaucoup d'espoir chez certains, chez d'autres, c'est l'inquiétude, notamment dans les quartiers situés au nord-est de la ville de Zender, confrontés au problème du drainage des eaux pluviales. J'habite dans ces quartiers depuis plus de cinq ans et à chaque fois que la saison pluvieuse s'annonce, on a tous les problèmes de ce monde. Parce que quand ça pleut, c'est presque la grande majorité de l'eau de la commune 3 et de la commune 4 qui passe par euh, notre quartier attendre euh, une heure, voire deux heures de temps pour pouvoir euh, quitter ou entrer dans les quartiers. On a eu la visite du ministre des catastrophes, parce que là, rien n'a été fait. Les autorités aussi ont fait des passages, aussi ça n'a rien donné. L'année passée, on a pris l'initiative de faire un pont à notre propre fonds. On a cotisé, on a fait, malheureusement, ça n'a pas tenu correctement. Imaginez pendant la période de pluie, c'est la période où il y a beaucoup de maladies. On est coincé, faut contourner un trajet que vous pouvez faire en 15 minutes, il faut faire 1h45 minutes. C'est vraiment un quartier qui compte énormément d'habitants, mais aujourd'hui, compte tenu de ces handicaps, on a du mal, surtout en cas d'évacuation sanitaire. C'est vraiment un calvaire parce que le quartier ne dispose pas d'un centre de santé. Il n'y a que des petites salles de soins privées. Les autorités de la ville sont conscientes du problème. Elles font des efforts pour lui trouver des solutions, selon Abdrahim Balaravi, président du conseil de ville. Le problème du drainage des eaux de pluie dans la ville de Zender est un véritable casse-tête, c'est vrai. Mais Dieu merci, avec les efforts de curage de caniveaux et le déguerpissement de certains passages, l'eau arrive effectivement à s'écouler sans problème majeur. Aussi, avec les travaux de la SATOM, les travaux de voirie, ça va encore faciliter la fluidité effectivement du passage des eaux. Mieux, euh, dans le cadre du projet Pidurem, il y a 6 km de caniveau et, 7, et 6 km 400 de chaussées drainantes, n'est-ce pas, qui seront euh, faits dans la ville de Zender pour permettre aussi l'évacuation de cette eau-là. Tout ce que nous pouvons dire aux habitants de ces quartiers-là, c'est d'être très vigilants. Certains travaux sont déjà en train d'être faits, d'autres euh, n'ont pas encore commencé mais c'est à la fin de tous ces travaux-là que les gens verront réellement le véritable résultat. Ce problème compromet les efforts de développement dans ces quartiers car chaque année, plusieurs maisons s'effondrent et des voies d'accès inondées. Voilà, c'était la voix de Mustapha Mamansani depuis Zender qui est d'ailleurs à ligne avec nous. Bonjour Mustapha. Oui, bonjour. Bonjour Mustapha. Bonjour, comment allez-vous Ça va bien, alhamdulillah. Alors, nous venons d'écouter votre reportage sur le problème de drainage d'eau à Zender. Oui. Quelle est la situation actuelle ah, la, la, situation est la même. Euh, rien n'a changé. Ils sont là en train de vivre leur calvaire parce que Hmm. C'est pratiquement depuis plusieurs années, hein, plus de dix ans que je connais ce quartier qui est vraiment très habité. Hmm. Malheureusement, à l'approche de chaque euh, euh, période hivernale, ils hmm. sont très inquiets et parce que beaucoup de voies se coupent et l'accès au quartier devient très très difficile. Alors dites-nous, quelle quelle est la cause principale de ce problème la cause principale, c'est que le quartier est dans un bas-fond. En fait, euh, la structure de la ville de Zender est à, nu. Mhm. De sorte que ils sont dans un bas-fond et toutes les eaux de pluie sont, euh, se dirigent vers leur quartier. Mhm. Et malheureusement aussi, le quartier ne dispose pas de caniveau, ce qui fait que donc il est obligé d'emprunter les, les, les ruelles et donc euh, les rues sont du coup coupées. Quoi. Mhm. En espérant qu'ils vont trouver la solution très bientôt. Ah en tout cas, on l'espère aussi. Merci beaucoup, Mustapha. Je vous en prie. Excellente journée à vous. Euh, merci, à vous aussi. Sinon, on fait une pause et on se retrouve tout de suite après la page sport. Exactement. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, chers auditeurs, à présent, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Gourouza Asumi Karim. Bonjour Gourouza. Bonjour Fanta, bonjour c'est nous. Bonjour. Bonjour. Alors Gourouza, nous ouvrons cette euh, page sport avec la quatrième édition Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans qui se poursuit au Maroc. Oui, Fanta, l'équipe nationale du Niger U23 euh, fera sa deuxième sortie à Tanger dans le groupe B de cette compétition euh, compétition demain face au Gabon une rencontre que les poulains de Zakariaou Ibrahim préparent activement et l'entraîneur nigérien est d'ailleurs confiant. Zakariaou Ibrahim au micro de Salamot Kadri. L'état d'esprit des joueurs est bon, cas, ils sont très enthousiastes. Ce matin, on a fait un petit décrassage. Et le soir, on a pu faire un débriefing, une séance vidéo. Euh, on a analysé, n'est-ce pas, le match contre l'Égypte. En tout cas, nous aborderons euh, le match contre le Gabon avec euh, sérénité. On sait que ça va être un, match difficile, mais en tout cas, nous allons euh, tout donner pour gagner ce, match, Inch'Allah, parce que ça va nous ouvrir les portes des demi-finales. En tout cas, demain, Inch'Allah, on va battre très dur pour avoir les quatre points pour avancer dans cette compétition, Inch'Allah. Alors, Gourouza, comment est le classement après la première journée oui, sinon, je débute euh, d'ailleurs par le groupe du Niger, le groupe B. là, c'est le Mali qui prend, tête, euh, qui prend la tête du groupe avec euh, trois points grâce à sa victoire face au Gabon 2 buts à 1. Le Niger et l'Égypte sont à ex grâce à leur match nul, 0 but partout. Les deux équipes ont un point chacune. Dans le groupe A, le Ghana occupe la première place avec trois points, 3 points suivi du Maroc et de la Guinée. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci Gourouza. Merci. Et à bientôt, j'espère, pour d'autres informations sportives. Oui. Voilà, chers auditeurs, à présent, place au portrait du jour. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Nana Hadiza Hassan, journaliste à la radio Farah Dosso. Nana Hadiza est aussi correspondante du studio Kalangu. Et oui, forte, dynamique et ambitieuse, tels sont les maîtres mots qui décrivent Nana Hadiza. Son portrait avec Farid Bourema et Adama Dawaki. Sunana Nana Hadiza Hassan, ni a jarida ce da ke na Radio Fara'a kuma ni wakiliya ce ta Studio Kalango. Na shiga aikin jaridanci tun a shekara wato 2016 an dami kenan yau ina da shekara kusan shidda zuwa bakwai kenan ina aikin jaridanci. na fara aikin jaridanci ne to a kanal turwa gaya eh, na kai shekara ina yi daga baya dai na koma radio fara gaya a radio fara gaya da na zo na fara ba da labarai a harshen hausa daga bisani kuma na fara yin emission na jiba interactive wanda zai ba da dama al'umman gari su kira su tsun bakin shi sunan emission kin eh, Refem Arsenal a Hausa wanda ce mishi gari ya waye zan ce daga shi ne wanda nake iya cewa a garin gaya na fara kuma ya karɓo da ni na karɓo da shi tunda emission ne wanda nake ce iya cewa ya sa na an san ni wace ce a cikin al'umma tunda daga yawa daga mutane sai da su shi su ce a wannan matar da ke yin emission kinga na Rive Matinal ina son inganta wace ta kuma in na je a waje da na presentan kaina mutane da dama suna buƙatar su ga ni ko wace ce kenan daga nan ina iya cewa aikin jaridanci gaskiya alhamdulillah abu ne da nake iya cewa na samu abin da dukka nake iya cewa yau an gode mishi. A doso wani irin shiri ne kike gabatarwa? Nan doso da na ina emission ɗin rayuwar mata da ƙanƙanan yara. Shi kuma wani emission ɗin da nake yi yana magana ne bisa kan rayuwar da mata ke ciki walau na jin daɗi ko kuma na wahalhalu da kuma hanyoyin da ya kamata a bi a magance waɗannan abubuwa. Muna kan ba da shawarwari ga mata musamman uh, da matan da ke cikin gida ga yadda ya kamata su bi don su kyautata rayuwarsu ta yau da kullum a fannin yare ma haka kazalika muna kira da iyaye musamman tun da ake iya tare ga duka gare su ta kare to wannan emission kin nawa abin da yake nufi kenan wannan irin matsaloli kike fuskanta a cikin aikin ki na jarida a aikin jaridanci wato matsalar da na fuskanta tun da farko ne gaskiya da na shige ta na ga kalubale iri-iri walau ma a fannin zamantakewa ta ta auratayya nake iya cewa na auren cikin gida kusan yau ba mazaje duka ne ke iya eh, wato jurewa su ga matarsu tana aikin jaridanci ba wannan kalubalen da ne na fuskanta sai da daga bisani da take shi na maida shi ba komai ba kuma ya fuce wane amfani ki samu cikin wannan aikin naki na jarida amfani kuma a harkar jaridanci sai in ci alhamdulillah na ci amfani a harkar jaridanci tunda da na zo gaya kafin in fara aikar da rahotanni na a studio kalangu sai ce alhamdulillahi lamari na zuwa yadda ake bukata wane kira a gare ki zuwa ga mata 'yan jarida kiran da ke gare ni zuwa da 'yan uwa na mata da ke aikin jaridanci gaskiya su dage su dage aikin jaridanci ko a namiji ba, abu ne mai sauki ba balle mu gare mu mata a dage a yi kamar ba a gani ba a gani ba a take a huce nasara na nan tafi insha Allah. Dangane da wannan aiki na jarida wacce irin matsala kike fuskanta in kirje wurin ɗoka rahoto. Kamar yanzu a ce in authority sun zo cikin dosa hakan ga gaskiya irin wannan abu na ba da wahala sosai in ba ka kamna irin akuya ne ba ka ratsa cikin dubun maza ka ka nemo abu yana ba da wuya wannan muna shan wahala sosai da shi. Voilà, après ce portrait très enrichant hein, de Nana Hadiza, cher auditeur, je vous propose enfin le tout dernier morceau de notre playlist. Je vous propose le titre Auré de Ali Atibili. Voilà, chers auditeurs, euh, à l'instant c'était bien le titre Auré de l'artiste Ali Atibili. Après cette belle sonorité musicale, il est temps pour nous de retrouver les femmes du studio Kalangu dans la rubrique Lotti. Oui, c'est nous. Le loti de ce jeudi porte sur une pratique de certains hommes qui empêchent à leurs femmes d'aller voter. Exactement. Au Niger, certaines femmes ne peuvent pas agir sans le consentement du mari, notamment quand il s'agit du vote. Pourtant, le vote est un droit, c'est aussi un acte citoyen qui permet de choisir ses représentants lors d'un scrutin. Écoutons euh, cette discussion des femmes du studio Kalangu sur le sujet. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey, Matsukiji. Assalamu alaikum. Hamsatu, barka. alaikum salam shida ya kike alhamdulillah lafiya ta lau kefa ya iyalin naki kowa lahiya shi lau wallahi to muke labari ne ba wani abun labari sai dai inda ga bangaren ki to na dai babu wani abu dai da dumi-dumin shi kawai dai nayi neman kati na na ɗan zaɓe ban gane shi ba kuma na ji cewa kamar ya kamata a ce mu yi zaɓe mu da ke ƙetare 'yan Nija. Hai, ke kin je ma an rubuta sunan sunanki balle ma ki je ki yi zaɓe? Eh mana, saboda a matsayina na 'yan ƙasa, hakina ne kuma incina ne, a ce na yi rajistan kaina kuma na je na yi zaɓe, kada ki ce min baki yi shi ba. A'a, ban yi ba. kuma ban da niyyar zuwa yin zaɓe. A'a don me yasa? Dalili na mai sauki ne kuma guda ne, kuma hallau na gwammaci in riƙe ta bana son hudinta Yar uwa, da Allah mai da wuka, ki kwantar da hankalinki ba wani yaƙi ba ne ina neman kwatanta miki ne da nauyi ne da ya rataya a ki a matsayinki na yar Nijar duk da yake ba a Nijar kike rayuwa ba da ki je ki zaɓe kuma ban ga abin da yasa ni zaki ɓoye mini wani abu ba a matsayina na yar uwarki. Na sani yaya amma ku kuka mini gargaɗin cewa in iya riƙe sirrina musamman ma na tsakanina da mijina. To ban ga abin da yasa sirrin da tsakanin kike da mijinki bai haɗu da wannan zancen zaben. Suna haɗe. ban gane abin da kike nufi ba kin san mijina ne ya hana ni kwata-kwata ma in je in rubuta kaina balle ma wai in je in yi zaɓe a'a wasa kike yaya babu wasa a cikin wannan zancen mai mahimmanci shi yasa na ce miki na gwamnati in riƙe wannan zancen ki haƙuri ƙanwata magana ce ke ɗarmin kai kuma gaskiya ne hakan ni ba nan ga ganewa a ce ɗan ƙasa kuma wanda ya karatu mai ilimi yana irin wanga tunani kamar mijinki. Ni ma hakan gaskiya ban ni nan ga ganewa. Lokacin da ya hana ni na tambaye shi me yasa bai bani wani ƙarin haske ba aka. Ai da ko ya kamata ki matsa don ya baki haske da dalili saboda ban ga abin da yasa zai hana ki ki zai ki cika aikin ki na ɗan ƙasa ba. Yayi wallahi ban san ba me zan ce akan wannan zancen. Amman ko ya kamata a ce kin sani saboda duk da yake yanzu lokacin ya riga ya ƙure amma ya kamata ki neman jawo hankalin shi don ya samu ya bar ki zaɓe nan zuwa gaba. To yaya yaya zan yi? Da farko ya kamata ki san dalilan da suka sa ya hana ki ga ke ma ki samu ki kara bashi haske bisa kan mahimmancin zaɓe. To yaya gaskiya ma ni da kaina ban san mahimmancin wannan zaɓen ba sai yanzu da kika haɗi mini. Shi ya sa ma da ya hana ni ban ma yi wani ja in ja da shi ba na yi zamana. to buɗe kunnen ki ji duk ɗan ƙasa duk ɗan nijar ko baya rayuwa a cikin ƙasar nijar da ke waje yana da inci da alhakin sa kan shi cikin harkar siyasa ta ƙasar shi ma'ana dole ne ya ta yayi zaɓe kun babu wanda isa ya hana shi wannan incin yayi waikin kin manta mijina ne kuma shi yake iko na na san da wannan amma ya kamata ya dai barki ko da zaɓen ne ki take ya kamata gaskiya ku yi magana a kai ke da shi To yaya ba matsala. Na gode da wa'annan shawarwarin da kika bani da kuma hasken da kika bani akan wannan zancen. Zan yi magana da shi insha Allah daga ya dawo. To ba matsala muna tare. To zan barki marice yayi. To bari in ɗan raka ki mana. A zaman ki gidanki. To shikenan sai wata rana. Et oui, on dit merci hein, aux desk femmes du studio Kalangu. cher auditeur, c'est l'ère de la culture linguistique. Justement, c'est nous. Nous sommes avec Asuma Nashina qui va aujourd'hui nous édifier sur le mot sacrifice en Hausa et en français. Bonjour, Shina. Oui, bonjour, Fanta. Bonjour, euh, Seno. Comme vous le savez, la communauté musulmane du Niger s'apprête à célébrer demain la fête de la Tabaski, fête à l'occasion de laquelle il est recommandé aux fidèles qui a les moyens de sacrifier un animal pour le Créateur. Eh bien, actualité, oblige, aujourd'hui, le mot que nous découvrons, c'est le mot sacrifice, comme vous l'avez annoncé. Mhm. Euh, sacrifice, donc, c'est un nom masculin, c'est un dérivé du verbe sacrifier. Il désigne une offrande rituelle à la divinité, caractérisée par la destruction réelle ou l'abandon volontaire de la chose offerte. C'est aussi un renoncement ou une privation volontaire euh, dans une intention religieuse ou morale. da hausa zan dan kwatantawa wato da hausa ana nufin sacrifice kamar ana nufin sadaukarwa wato sadaukar da wani abu naka don ubangiji misali mm. wato ka ba da wata duke da ka mallaka ga ubangiji ko saboda addini ko kuma wani dalili na girmamawa misali gobe sallar layya musulmi da ke da hali za su yanka dabbobi don allah mahalici allah ya kai muna rai amin Voilà, chers auditeurs, si vous avez vous aussi d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en haussa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je répète, au 82 89 89 64. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Moi, c'est Maman Ibrahim. je suis un auditeur euh, de Kalangou dont je trouve euh, les informations très intéressantes et très éducatives. Euh, les émissions de Kalangou jouent un rôle clé dans le paysage médiatique aujourd'hui, particulièrement dans la région des Andes où, je suis. Et même avec l'âge de, l'Internet, car vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, euh, les gens sont beaucoup plus câblé dans les téléphones, via les réseaux sociaux, mais quand même quand euh, Kalangu diffuse, vous allez voir que effectivement euh, euh, les gens sont, sont vraiment intéressés par les thématiques et les informations diffusées par Kalangu. Des informations sont vraiment diffusées dans les langues locales et dans plusieurs langues locales et reçues dans tous les coins du pays vous allez voir que même les villages les plus profonds ils vont vous dire qu'effectivement, on reçoit euh, euh, les émissions de Kalangou parce que je crois que vous avez des, conventions avec les radios communautaires parce que c'est via ces radios communautaires qu'ils arrivent à recevoir. Aujourd'hui, moi, je suis euh, un agent de terrain et une fois sur le terrain, vraiment les émissions émises, transmises par Kalangou nous aident également aussi dans nos activités. Ils discutent vraiment des thématiques qui sont très très bien suivi par les Nigériens aujourd'hui. Ce sont les nouvelles qui sont du pays, qui sont à la une, qui sont diffusées, qui sont partagées avec euh, les auditeurs. Et seulement euh, s'il y a recommandation est. donc euh, je recommande aujourd'hui à Kalangou de mettre beaucoup plus l'accent sur les thématiques qui traitent du développement local. Parce que c'est ça que je ne trouve pas beaucoup dans les émissions de Kalangou. En tout cas, les, les émissions sont beaucoup plus d'ordre culturel. Effectivement, c'est des jeunes, mais les thématiques beaucoup plus échangées sont dans les, les cultures, les musiques et consorts. Et moi, je, je pense que il faut améliorer cet aspect et, et développement local. Voilà, chers auditeurs, avant de se dire au revoir, nous allons accueillir Nefissa Adamou Sirfo pour les titres de la grande édition du soir. Bonjour Nefissa. Bonjour Seno. Bonjour Fanta. Bonjour Nefissa. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a procédé hier au lancement du rapport mondial sur les drogues 2023 à Niamey. Le président de la Commission nationale de la coordination de lutte contre la drogue au Niger est à suivre dans nos éditions du soir. Ensuite, un prédicateur nous donnera quelques recommandations autour de l'immolation de l'animal le jour de la fête de Tabaski. Et dans le magazine, nous verrons comment les déplacés de l'île de Garidjo de la région de Tilabiri vivent après leur à volontaire dans leur localité. Rendez-vous à 17h. Le rendez-vous est pris. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de moi-même, Fanta Ali Munkela Ouseni, alias Seno 50%. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro et un nouveau duo. Eh bien, à la technique, nous avons euh, Amina. Hassan et Adama Dawaki à l'édition. On se dit à demain. ciao, ciao. ciao, ciao. Bonne fête.